ñu donc euh, yaakaar la ne gisee jeux yooyu bi bi ngeen di côtoyer bi ngeen bokk euh, ay ay terrain et tout. ba c'était c'était quelque chose de xam lo lu lu grave quoi en fait parce que déjà yow ñooñu téré nga leen doon sétane et tout té bu ñu tambué ñi nga ngi leen doon sétane nga Messi bu ñuy jouer Ligue des champions et tout tu te dis waaw xam waree jouer si club humain mel côtoyer jour grand jury et tout voilà après bon demee ba n'est fofu si ngay xamni c'est si ngay gën c'est dund football quoi en fait gars ils sont ils sont c'est les grands jours ils ont tout gagné. Mm-hmm. mais duñ caaxaan hmm ils blaguent pas hein. ah les être nga gis télé euh, non affaire de dafa et tout mais c'est des des grands joueurs ils savent ce qu'ils veulent et tout d'entraîner entraîner comme il le faut tes tu apprends beaucoup quoi c'est le nekk si avec expérience de New York avec qualité New York tu apprends plus vite en fait mm-hmm. Tu es avec l'équipe B pour après pour monter quoi tu vois mm-hmm. donc demain, def saison saison avec l'équipe B après mhm. le remonter l'homme et tout. Avant bon j'ai joué des matchs avec l'équipe première. C'était bien, mais mhm. c'est vrai, genre, Ils parlent normalement avec toi, comme, comme les autres. Mhm. Tu vois, dans mm conseils et tout, avant match, de les remonter. Parce qu'ils savent que tu es jeune et tu viens d'arriver dans un club comme Barcelone. Donc, nous, c'est que ça, quoi, en fait. ils As, une nous dans les conseils. Mhm. gars yi am expérience yi ñoom Busquets ñoom Piqué avant les matchs te était nga pour remonter le booster là quoi donc la de la confiance et tout. bi bu nga dugal contre contre Japon. Mhm. loolu lan la lay def nga jouer coupe du monde euh, dugal sa premier but en plus nga que jeune. bon loolu c'est, déjà c'est est bi coupe du monde benen affaire la quoi. Mhm mais en plus de ça nous dugal que mooy xam Sénégal fi nga que tout xam nga ñëpp a ngi Je say xarit sa parents et tout Lol, beneen affaire la sensation je ne peux pas expliquer ça mm-hmm. c'était voilà j'étais très très content xam nga bu et tout. bii bi tout. dugal ko Sénégal en en plus on est jeune. bien sûr. dem coupe du monde dugal puis en plus d'être un défenseur, vraiment. Mhm. Mais ça joue, c'est quelque chose d'énorme, en fait. Donc, sensation, non, non, ça fait partie des meilleures sensations au football, non? Importance. Mm -hmm. man ak et tout. comme ndax dit, nous ou pas. ah mais c'est normal gars nous xam. dit, Jambar, genre jambar lañu xamanté parce que déjà ñun aspire on est e aussi à jambar non donc mhm. depuis foofu lañ xamante depuis fofu lañu xamanté mais miinante wuñu woon quoi en fait bien sûr ouais après depuis lors ma ma nek ni sa tonton loolu du ma ci commentaire ni <laughs> xam nga deug la wax ngox gay et tout vas-y jambar bon mon numéro de Dambar, c'était en 2006 2006 deux mille à l'intermédiaire de mon oncle parce que maa yoon Kolda donc euh, dama war a à Dakar ensuite son tonton anima anima Sali mais bon bon ma nekkoon presque euh, dernière euh, dernière semaine pour tester parce que gars yi national donc c'était un vendredi même c'était un vendredi matin bu mm-hmm. ñu daa fekk ni équipe yi mot na pare parce que gars yi jël nañ ñu ñu war a jël pare. donc euh, gars yi ne sama tonton bi euh, c'est trop tard parce que euh, ñoom jël nañu seen seen jour yi war a jël pare léegi ñi la ñu war a suivre pour jël si 18. Mm-hmm. donc sama ma xaw a découragé ak sama tonton léegi sama tonton ne ma kañ toog ñu seetaan. par exemple rek par par exemple yàlla xam nga rek yàlla moom bu la waxee fii ngay jaar moom munoo fexe ba doo fa jaar. waaw fa nga jaaree tout. léegi dernière équipe boo dernière équipe boo waroon joué mu am hmm. benn booy bi nga xam ne dafa dafa blessé les gars yi comme dafa am ni ni ni ku manqué kan jël bi fekk temps yii ma ma maa gars yi jël ma militaire ma dugg sama premier ballon rat hmm, dribble dribble ñaari jours rek dóor si baar bi ñu joué quelques minutes entre kii kii bi jeex après ma ñibbi xaar ma résultat parce que man damaa waxoon ne que jël ma jël tout comprendre nga. woote suñu kër ne neen sama tonton pour sama tonton andiwaat ma jàmbaar sama tonton ci la leen ne moom dafa sonn parce que depuis suba si mu ngi dawal diggante Dakar ak Saly moom mënul ñëw dafa xaw a sonn jàmbaar yooyu yónnee benn chauffeur pour ñëw jël si ma pour ma defaat dernier test bi ci laa defee dernier test yi ma réussir ko si euh, je pense que cinq cent la ñu woon et tout mais du huit la ñu jël donc euh, noonu la intégré jàmbaar et tout ok intéressant ouais c'est bien est-ce que vous avez le championnat au Sénégal avec Diamba euh, je pense qu'en 2013, 2013, nous avons un champion du Sénégal. Météo notre mais après, Alhamdulillah, quoi, parce que a un connexe depuis 2012. Mais quand on a donné nous Donc, euh, nous champion du Sénégal en 2013. Hein. Ah, c'est bien. Ah. C'est très bien. Vous donnez ça palmarès Sénégal bah Sénégal mën naa def na sa promesse hein, parce que ben coupe momo ma Sénégal mooy coupe du Sénégal hein, parce que gagné la coupe de la ligue euh, championnat ligue 2 coupe parlement. Je na poser une poser question intéressante eh? nee na la bonsoir wa est-ce que tu mhm. dois pas renforcer ta musculation pour être plus au top le ci les <laughs> le gars il a raison hein bon man luma ci si xalaat mooy renforcer sama muscle pour euh, non mais man gars yi xam nga gars yi nii ñëpp xam nga la plupart des gens en fait c'est pas tout le monde ñëpp a ngi il faut nga yokk sa et tout. Mm-hmm. mais man je sais xam naa sama yaram et tout. gars yi wax peut-être ils veulent mon bien et tout mais moi je sais ce que je veux. bah ouais. Euh, te xam naa sama yaram.

j'ai fait ce que j'ai à faire après. Ouais. Mm -hmm. oui ma boy test football bien nice hein. bah ouais parce que actuellement ñoom ñu ngi def vous bu rafet quoi. waaw ñu ngi Ligue nice hein. parce qu'au moins nous nañuy woon euh, actualité jury il y a di en plus à information en temps quoi. donc vraiment nouvelle jury et tout. donc c'est de très bonnes informations. hein bah surtout en plus c' c'est fiable hein. parce que moi moi mais je parce que information yu me disais parce que a même jour comme sax a ñu qui euh, arrêté euh, championnat ci nouvelles yu sax man ah, gars suivre allez treize foot hein treize football. en tout cas dans le bonheur ay information yu hein information il la suivre treize TV hein da ngeen di da di gis information lépp li nga xam ne c'est c'est réel et tout treize football et tout donc euh, man daal loolu laa di conseillé.